Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Pour cette émission de Tous à la FADA, nous sommes installés sous un arbre non loin du studio Kalangu. Et le sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la baisse des niveaux des scolaires et situer les responsabilités. Sanin kowa ne karatun albe a Nigeria rage sosai idan aka danganta shi da wasu 'yan shekaru da suka shuɗe. A da can yaron da ya kammala firamare shine ke zama abin da ake ce makomi a cikin ƙauyensu. Misali shine ke rubutawa kuma yake karanta wasiƙu ma mutane. Amma yanzu yanzu da wuya ka samu ɗan ajin college ma da ma lise wanda za ku yi fira a turanci ba tare da yayi kuskure ba a cikin zantukansa. Ese Lasiya Tule Nivo wannan shi yasa yau muka karkata kalar shirin namu akan Best Day Nivo Day Scolaire za mu ji Et pour en parler ce soir, nous recevons Labaran Sonoussi, professeur de philosophie dans un lycée de Niamey. Bonsoir Labaran. Bonsoir. Bienvenue à vous dans notre FADA. Merci. Et notre deuxième invité, c'est Halimantou Abdelrazak, elle est parent d'élèves. Bonsoir Halimantou. Bonsoir. Et l'autre invité, c'est Abdelrachid Soumeila, étudiant à Niamey. Abdelrachid, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous dans notre FADA. Moi, c'est Fanta suis à la technique. Nous avons Abdelkader Chambianou. masu Masauraran mu yau a cikin fadar tam da taya da zango nan tsakar filin studio Kalangu kamar yadda kuka ji mun gayyato muku matasa masu hannu a fanni ilimi domin tattaunawa akan jigon namu na yau best day nivo na karatun dalibai musamman ma za mu ji a wuyan wa mafi girman kaso na wannan laifin ya rataya. Sannan mun zaɓi fannoni guda uku yadda za mu tattauna a kansu da farko za mu tattauna akan manku da suvi na iyayen dalibai na biyu za mu ji bangaren mushanni su kuma a ina aka kwana manque de motivation. Dans la première partie de notre émission, comme je l'ai annoncé, je vous propose d'aborder la question du manque de suivi à la maison par les parents. Je commence par vous, Alimoto, en tant que parent d'élève. Vous êtes maman, c'est ça Oui. Et selon vous, comment un parent doit-il appuyer ses enfants dans les études à la maison C'est un sujet délicat qui mérite le regard de tout un chacun. Euh, en tant que parent, nous avons une grande partie de responsabilité. Parce que le suivi de l'enfant, ça commence à la maison. Il faut que tu connaisses le comportement de ton enfant. Il faut que tu saches ton enfant, il a quel niveau, de quoi ton enfant est vraiment capable. Et quelles sont ses lacunes aussi Oui, quelles sont ses lacunes mhm. Dès qu'un parent suit son enfant, c'est normal, tu vas connaître les lacunes de ton enfant. Ça, c'est d'office. Mhm. Du coup, le problème qui se pose, par exemple, moi, Dès que je pars les chercher, la plupart du temps, c'est moi-même qui les cherche à l'école. Mhm. Dès que je pars les chercher à l'école, avant même qu'on arrive à la maison, on commence à discuter. Qu'est-ce que vous avez fait Et votre journée à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait L'enfant commence automatiquement à te raconter sa journée. Ah, nous avons fait langage aujourd'hui. Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Donc, en fonction de ce que l'enfant te dit, c'est à toi le parent de savoir sur quoi te centrer, c'est quoi le plus important. Et tu vas t'attarder, tu vas prendre plus de temps, tu vas discuter avec tout un chacun. Mhm. Maintenant, une fois arrivé, les enfants vont manger, ils vont se reposer. Normalement, à 17h, ils doivent s'asseoir. Chacun prend son emploi de temps. Moi, ce que j'ai fait avec eux, chacun colle son emploi de temps au niveau de l'armoire. Donc, on n'a même pas besoin de chercher de midi à 14h. Tu apprends tes leçons. Le temps que moi, je suis à la cuisine, dès que je finis, tu as fini d'apprendre tes leçons. On se retrouve maintenant et on va répéter ensemble. Quand tu as des exercices, tu commences sans moi pour que je vois ton niveau, comment toi tu réfléchis, mm. comment toi tu perçois, si tu peux t'en sortir seul ou pas. Maintenant, après, là où il faut que j'appuie, je t'appuie. Mm. Là où il faut que je corrige, je te corrige. Moi, par exemple, à l'école, une fois, il y a un enseignant qui m'a approché. Il m'a dit, Madame, même si votre enfant, il part au cours de répétition, même s'il a un enseignant, vous, en tant que parent, essayez de l'accompagner. Souvent, quand c'est le parent qui accompagne l'enfant, il assimile plus, mm. il prête plus d'attention parce que ça, il y a cet amour parental. Mm. L'enfant, il a tellement confiance en toi qui es son parent qu'il t'écoute. Tout ce que tu lui dis pour lui là, c'est comme ça. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, Beaucoup de parents ont démissionné de cette fonction. Beaucoup. C'est très dommage. Sans vouloir vous couper la parole, nous allons aussi laisser les autres intervenir dans la FADA. Je vais me tourner vers vous, la baronne Sonoussi. Vous êtes enseignant. Est-ce que vous pensez que la méthode de, Halimoto, c'est la bonne méthode euh, Voilà, merci. Euh, je crois très sincèrement que ce qu'elle vient de dire relève d'une réalité indéniable. que, c'est comme elle l'a dit, les parents, dans la plupart des cas, ils ont démissionné. Ils estiment qu'une fois, quand ils amènent un enfant à l'école, c'est fini, c'est à l'enseignant de faire tout à cet enfant-là. Mhm. Alors que la première éducation, ça doit être à la maison. Et que c'est comme elle l'a dit, hein, vous allez voir que les parents ils s'en foutent, ils abandonnent et ne se posent même pas la question si cet enfant-là quitte la maison, est-ce que réellement il part à l'école parce qu'il y a des enfants qui ne partent pas à l'école et que de l'autre côté, après la composition, on va se rendre compte que l'enfant n'a rien amené et que c'est normal parce qu'il n'arrive pas à suivre le cours. Et on peut tout de suite et maintenant endosser la responsabilité sur les doigts des enseignants. Un enseignant qui n'a pas vu un enfant, comment est-ce qu'il va le former Comment est-ce qu'il va l'enseigner Et sinon, comment, comment est-ce que vous reconnaissez qu'un enfant manque de suivi Non, ça c'est voir parce que l'enseignant en réalité, il est au centre de tout. Et il est partisan, il est artisan. C'est quelqu'un qui va évaluer les enfants et il va comprendre qu'après avoir quitté la salle, qui est cet enfant-là qui reçoit l'encadrement à la maison Il suffit juste de poser une petite question, vous allez voir la réaction des enfants diffère. Pourtant, c'est vous qui êtes en train de donner les mêmes enseignements et vous constatez qu'il y a une nette distinction parmi les enfants là. Mhm. À partir de là, vous pouvez conclure que dehors des cours que vous vous dispensez, il y a des enfants qui reçoivent d'encadrement une fois à la maison. Voilà, techniquement, vous pouvez vous-même les comprendre en interrogeant les enfants. Voilà. Donc ça se voit en fait, ça se répercute directement sur l'élève quand un enfant est suivi à la maison. Ça se voit même. Et souvent, quand vous voyez, vous interroger un enfant sur une chose, qu'il est censé vous restituer textuellement mais il n'arrive pas à les faire. Mais une fois à la maison, quand il sera au retour, vous allez être surpris de la manière à travers laquelle il va vous restituer cela. Mhm. Donc à partir de là, vous pouvez, sans risque vous tromper, affirmer que quelque part, quand il quitte la salle une fois à la maison, il y a ses parents qui sont en train de l'aider ou bien il y a ce qu'on appelle les renforcements des capacités qu'il mhm. est en train de bénéficier contrairement aux autres. Mmh. vous êtes élève. Vous êtes en quelle classe Je suis étudiant nouveau bachelier. Au cours de votre cursus, est-ce que vous avez bénéficié du suivi des parents euh, Moi, j'ai eu une chance. La chance que j'ai eue, évidemment, mes parents tous mes deux parents sont partis à l'école, donc euh, j'ai beaucoup bénéficié de, leur soutien. Parce que euh, les parents qui est parti à l'école et celui qui n'est pas parti à l'école sont différents. Ils connaissent mieux les enjeux que ceux qui n'ont pas été à l'école. Je m'explique. Moi, quand j'étais au primaire, il n'y a pas un acte que je peux poser que mes parents ne puissent pas identifier. En fait, je ne peux pas les dribbler parce qu'ils ont été à l'école. Donc là, c'est une chance parce que ma liberté était restreinte. En fait, cela m'a permis de ne pas dériver. La chance que les autres n'ont pas eu, c'est évidemment parce qu'ils n'ont pas de parents qui sont partis à l'école. Les parents qui ne connaissent pas la valeur des études ne peut pas imposer à son enfant de partir à l'école. Cela y va également de la volonté de l'enfant. S'il veut, il part. S'il ne veut pas, il ne part, pas. C'est la chance que moi j'ai eue. Hanimanta, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Quand Non, je ne partage pas cet avis. Mhm. Je ne partage pas. Moi par exemple, j'ai des parents qui sont instruits, très instruits. Ils sont partis jusqu'à l'université. Et pourtant, nos grands-parents n'étaient pas instruits. Ma grand-mère, souvent, elle nous dit que chaque fois, elle, ne savait pas lire. Elle disait à ma tante, la grande soeur de ma maman, viens, viens t'asseoir, apprends tes leçons. Comme ma tante sait qu'elle ne sait pas lire, à chaque fois, elle lui elle apprenait la même leçon. Chaque fois, <laughs> elle récitait la même leçon. Elle dit jusqu'à ce qu'elle a commencé à capter des mots. Elle dit, cette fille-là, est-ce que c'est pas ça Elle répète toujours jusqu'à moi, je commence à capter un mot là. Elle est partie chercher quelqu'un qui, qui connaît. Donc la personne lui a dit, ah, c'est ce que ta fille fait. Elle dit donc à partir de maintenant, je te la confie. Donc on ne peut pas partager. Il y a des parents instruits qui n'accordent pas l'importance que les parents non instruits mhm. accordent. Sur ces on va faire une pause et on cède la place à la rubrique rose proposée par nos chroniqueuses du studio Kalangu. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue dans la rubrique rose de ce samedi. Aujourd'hui, dans ce coin dédié à la beauté et au bien-être, nous allons fabriquer un shampoing bio à base de savon noir naturel. Certes, sur le marché, vous pouvez trouver des shampoings adaptés à votre type de cheveux, mais si vous pouvez fabriquer vous-même un shampoing à la maison avec peu d'ingrédients, pourquoi pas donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va fabriquer ensemble un shampoing naturel bio à base de savon noir africain. Pour faire ce shampoing, il vous faut trois ingrédients. Le savon noir africain, de l'eau et du bicarbonate de soude. Le savon noir africain, vous pouvez le trouver sur les différents marchés chez les coutières. Et pour moi, j'ai pris un savon 1500. Le prix du savon varie en fonction de la taille du morceau. Il y a des petits morceaux, des grands morceaux, des morceaux moyens. Donc pour moi, c'est le moyen. Pour faire la recette, c'est très simple. Il, il vous suffit de verser les 1 litre d'eau dans un récipient émiettez le savon parce que le savon est assez dur et, vous allez déballer le savon parce que c'est emballé dans un paquet. Émiettez le savon, ajoutez le, savon dans les 1 litre d'eau et laissez reposer tant que le savon puisse se dissoudre dans, complètement dans l'eau. Une heure voire deux heures de temps. Voilà les filles, nous sommes de retour après une heure de temps notre savon est complètement dissous dans l'eau et c'est le moment d'ajouter les trois cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et mélanger pour avoir euh, un liquide assez homogène. Nous avons une très bonne consistance de, de shampoing. C'est assez lourd. Vous pouvez aussi le faire léger. C'est à convenance au fait. Donc euh, voilà, ce shampoing a une propriété nettoyante, assainissante pour le cuir chevelu et ça rend les cheveux doux et soyeux au toucher. C'est pour tout type de cheveux, des cheveux crépus ou des cheveux défrisés. Ce shampoing est adapté à vos cheveux. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec d'autres astuces. I carry God, so I fear nothing. Steady increase in the commas, comma, rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. anan filin da studio Kalangu muke da tattauna akan la baisse des niveaux des élèves au Niger à qui la faute. Deuxième partie de notre émission, nous allons aborder cette fois-ci le problème de la formation des enseignants. Avant d'entamer les discussions à ce sujet, nous allons d'abord écouter cette interview de Idi Issa Dondi, enseignant à la retraite à Douti. Il est au micro de Samira Rouafi. Ça fait mal. Vraiment, certains enseignants, quand vous les entendez parler français, eh, je vous dis vraiment, vous avez tout de suite envie de mettre du coton dans les oreilles. Tellement c'est abominable. Il n'y a aucun respect de la langue, aucun respect de la grammaire. Et surtout, si vous leur demandez d'écrire quelque chose, en orthographe là, ah, les fautes vous allez en citer je ne sais pas combien. Et donc voyez-vous, il y a ce niveau, même des, des enseignants, à plus forte raison des apprenants, les élèves. Si, l'enseignant lui-même n'est pas parfait, c'est pas l'élève d'être parfait. oui, l'élève, un bon élève, donc normalement il est à l'image, à l'image de son maître. Voilà, kun shi abin da Idi Tondi ya faɗa, Idi Tondi tsohon mushe ne wanda yanzu haka yake retret. Labaran kele ta reaction a propos de cette interview. Ina tunanin abin da ya gai gaskiya ne, parce que en toute honnêteté, certains enseignants quand vous les entendez parler, vous allez vous poser la question comment est-ce qu'ils ont eu à faire pour être des enseignants. Mhm. Parce que, en toute honnêteté, j'ai dit bien certains enseignants, je précise que quand ils parlent, vous avez, vous avez envie de pleurer. Parce que vous-même, vous dites que su c'est lui qui est censé former a besoin de la formation donc où est-ce qu'on va ce qui fait que quelque part il y a cette réalité il ne faut pas en fait euh, se cacher la face c'est une réalité parce que les formateurs ont besoin aussi d'être formés parce que l'élève il a toujours comme modèle son enseignant. Vous allez voir certaines, c'est à partir de l'école, elles s'inspirent de leurs enseignants. Moi, personnellement, pour mon cas, je vous assure que c'est mon enseignant de la philosophie qui m'a inspiré et de telle sorte que tout mon rêve, c'était de devenir comme lui. Parce que à chaque fois, quand il parle, j'ai cette impression, il me donne toujours la motivation parce que lui-même, il est motivé. Mais vous allez voir certains enseignants à partir du moment où ils dispensaient les cours, ils découragent totalement les enfants. À tel enseignant, les enfants préfèrent aller jouer que de suivre l'enseignant. qu'est-ce qui fait ça Comment formation ne bah? c'est à tous les niveaux. À la première position, je voudrais dire d'abord l'État, parce que les enseignants ont besoin d'être mis dans leurs droits. Et ça, la formation dont il est ici question, c'est-à-dire même dans le cadre des moyens pédagogique et même didactique, on constate que les enseignants n'ont pas tout à leur disposition. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils tâtonnent parce qu'ils n'ont pas en fait des moyens qui vont leur permettre de dispenser un cours comme ça se doit. Et si quelque part ces enseignants-là ont des lacunes, c'est parce que leurs enseignants aussi avaient des lacunes. Donc c'est une suite logique peut-être où on doit interpeller nécessairement qui des droits de mettre à la disposition des enseignants, des formateurs, des moyens leur permettant permettant vraiment d'exécuter cette tâche avec beaucoup plus de sérieux et de responsabilité. Alimentou, quelles sont vos attentes en tant que parent vis-à-vis des enseignants pour garantir une éducation de qualité à vos enfants Les attentes sont vraiment multiples. Et en fait, il y a un problème qu'il a oublié de, de signaler ici. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles, si vous prenez. Avant, c'était l'école publique, mais les gens avaient des bonnes formations. Mhm. Mais maintenant, avec les écoles privées même, c'est des problèmes. On apprend du n'importe quoi aux élèves, aux enfants. Donc je pense qu'il y va de soi, d'abord même dans le choix des écoles. Donc ça commence d'abord par les responsables des établissements, parce que c'est eux qui engagent les enseignants. Il faut des tests de niveau des tests de langue aux enseignants avant même de les recruter. Il faut des stages devant les instituteurs avant les gens partaient à l'ENES pour se former. Maintenant, tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas fait ses études-là juste parce que tu as fait quelques études, tu n'as pas eu de travail, on te dit viens, il y a une école qui cherche si. Par exemple, moi, plusieurs fois, on m'a proposé parce que j'ai un bac des scientifiques. On me dit, tu peux faire les maths, tu peux faire les SVT, tu peux faire les physiques. Je dis non, je fais pas. Parce que y a la pédagogie. Mhm. Elle prime. C'est pas la connaissance seulement, il y a la pédagogie. La façon d'enseigner même. Ça s'apprend. Mhm. Il faut que tu saches comment te comporter pour que les enfants t'écoutent d'abord. Maintenant, quand tu as cette attention, il faut savoir comment tu t'exprimes pour que les enfants la retiennent. Et comprennent. Et comprennent ce, mhm. que, ce message que tu veux leur faire passer. Donc, vraiment, c'est un travail de longue haleine, c'est toute une chaîne. On ne mhm. peut pas sauter les étapes et espérer avoir des résultats, des bons résultats. n'est pas possible. Abdelachir, vous qui êtes encore sur les bancs, selon votre expérience, qu'est-ce que vous, avez remarqué D'abord, pour euh, revenir à votre question, il faudrait prendre en compte les rôles que joue l'enseignement dans notre société. Parce que jusque-là, l'enseignant vit de la précarité en fait. Et nous avons des enseignants qui partent de l'enseignement parce qu'ils ont tapé partout, ça n'a pas marché. Donc, euh, ils ont fait de l'enseignement leur euh, dernier ils suivent des formations bricolées, après ils viennent contribuer à, la destruction des, du système éducatif nigérien. C'est ça en fait, on doit être motivé pour être enseignant. On parle de vocation. Mhm. Toute fonction qu'on aime exercer, il faut d'abord qu'on soit motivé. Il y a des enseignants qui sont vraiment super dans l'enseignement. Il y a des enseignants qui motivent leurs élèves à, à bosser très dur. Il y a d'autres aussi qui démotivent. Il y a également ce qu'on nous enseigne, les contenus. Ça aussi, ça compte. On doit nous apprendre notre histoire. Ça, on va, on va revenir sur ça, ce qui démotive les élèves. Mais en attendant, on parle de la formation même des enseignants. Je vais me retourner comme à Wajankou, Labaran. Labaran, vous, comment pensez-vous que l'enseignant peut être mieux soutenu pour améliorer la qualité de l'enseignement? Yanzu ma zancen da na yi na ce, mushe ba wani abu ne yake tambaya ba illa haƙƙin shi. Yau zan ba ku misali guda, a ce mushe ya je zai on suppose que c'est vraiment un père de famille. Kafin était Il part pour dispenser les cours avec l'idée en tête qu'il n'a rien laissé à la maison parce que il n'a pas eu, euh, comment on l'appelle, son salaire. Euh, psychologiquement, il n'est pas stable il y a ces problèmes-là, même s'il veut transmettre les savoir, il a toutes les difficultés étant donné qu'il n'a pas une conscience tranquille. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'enseignant aussi a besoin euh, d'avoir un milieu. Vous savez, pour transmettre les messages, il faut d'abord qu'il y ait les conditions. Vous allez voir, Aujourd'hui, tout ce temps que nous sommes, c'est des réalités. La plupart des cas, même ici à Niamey, vous allez voir qu'il y a des enseignants qui enseignent dans des classes en période. L'enseignant, en un mot, moi je vais lui dire, il ne reçoit pas en fait le respect qu'il lui faudrait. Ça, c'est un. J'aurais aimé continuer à vous écouter, la baronne, mais euh, le temps est contre nous et nous allons passer à la pause musicale avant de continuer notre fada. On va écouter Mouchel l'école de Hadiza Amongou. gabatar muku da shirin namu na wanda yake la baisse des niveaux des scolaires nigériens à qui la faute. Troisième et dernière partie de notre fada, on va parler cette fois-ci du manque de motivation des élèves. Abdrachid, cette question, elle est pour toi. Quels sont les facteurs qui contribuent le plus au manque de motivation des élèves, vous qui êtes encore sur les bancs Donc, manque euh, les manques de motivation, c'est d'abord l'état d'esprit. Je m'explique. Mhm. L'élève, une fois à la maison, il n'a pas. Il y a d'autres qui n'ont même pas le temps pour cueillir parce qu'ils sont occupés par euh, les travaux champêtres, les travaux ménagers. N'empêche, les, travaux de la maison n'empêchent pas à, un élève d'étudier, de se concentrer sur les Mais lorsqu'il n'a pas cette volonté, cet engagement, il va faire de cela une excuse. Il y a cela. Il y a évidemment l'environnement. L'environnement, ça peut être l'école. L'élève, une fois à l'école, n'a même pas de classe, même pas de table, n'a même pas de classe dans laquelle il peut s'asseoir pour suivre le cours. Là aussi, c'est un désengagement de l'État. Ça démotive. L'apprenant est fragile. Il faut qu'il ait au moins le minimum pour pouvoir acquérir la connaissance qu'il cherche. Il y a l'environnement, l'État aussi a sa partition à jouer par rapport à cet facteur-là parce que nous avons l'habitude de voir des élèves qui s'assoient dans des classes en paillotte. Nous pouvons voir une classe qui prend feu. Donc cela instaure dans l'école un climat de peur. Cela joue sur la conscience des élèves. Il y a d'autres qui ont peur de retourner à l'école parce qu'ils ont vu leur camarade qui est décédé dans un incendie. Là aussi, c'est le rôle que l'État doit jouer. Il y a évidemment les parents. Les parents doivent chercher à adopter des méthodes d'approche parce qu'il faut savoir approcher l'élève. Il y a d'autres, ils violentent les enfants. Il faudrait les faire ressortir son intérêt. On n'étudie pas pour les parents, on étudie pour soi-même d'abord. Il faut que les élèves comprennent cela. Ils doivent s'engager, ils doivent savoir qu'ils sont l'avenir de ces pays et bien l'avenir de ces pays se repose sur leurs épaules. Ils doivent le savoir que sans eux, le pays ne va pas avancer. Ça aussi, c'est une question à traiter. La mhm. Labaran, comment le manque de motivation des élèves, comment ça joue sur le euh, leur rendement scolaire le manque de motivation au niveau des élèves, ça impacte euh, l'enseignement de façon générale. Parce que vous savez, l'enseignement, ça doit être euh, un cadre interactif et dynamique. L'enseignant a besoin de la participation des élèves dans la salle. Mhm. Parce que plus qu'il pose des questions et qu'il arrive à avoir des réponses, cela motive l'enseignant. Mais lorsque vous venez, vous posez une question, personne ne parle, vous-même, ça ne vous donne pas le courage de continuer à enseigner. Et que maintenant, posons-nous la question sur ce qui fait en sorte que ces élèves-là n'ont pas de motivation. C'est toujours les mêmes réalités. Si vous constatez, les réalités ne sont autres que l'élève aussi a besoin d'être dans un milieu accueillant, un milieu favorable à l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est ce qui distingue les uns et les autres. Vous savez, il suffit juste de nous mettre dans un endroit climatisé. Vous allez voir notre manière de réfléchir même <laughs> va s'améliorer, je suis sûr et certain. Moi, il m'arrive souvent quand je me trouve dans un endroit, j'ai fait certaines interventions à m'écouter, je me dis, est-ce que c'est moi-même. Parce que l'endroit est accueillant, il me donne une certaine motivation. Mais lorsque aujourd'hui on m'amène quelque part pour me dire de réfléchir, je ne peux pas réfléchir. Donc c'est ça en fait qui démotive quelque part les élèves. Souvent, la démotivation des élèves dépend aussi de l'enseignant, les regards qu'ils ont vis-à-vis de l'enseignant. Je vous donne un exemple. C'est vrai, dans le cadre de l'apprentissage, on peut mettre ça à l'écart. Mais comme j'ai dit, l'enseignant est toujours un modèle pour son élève. Mhm. Pour euh, un enseignant qui vient chaque jour avec un seul complet, parce que ou bien avec les mêmes chaussures. Vous savez, l'élève, lui, c'est qu'il pense, que toute sa vie, c'est de devenir comme son enseignant. Donc, il faut que dans le cadre pédagogique, que l'enseignant puisse servir de modèle pour les élèves. Et pour ce faire, ce n'est pas seulement les messages qu'il a à transmettre, la manière même de les transmettre, ça motive. Il faut que tu donnes cette impression aux élèves qu'un enseignant, c'est un tout, parce que c'est comme ça qu'il est. Donc, tant qu'il n'y a pas cela, ça démotive les, les élèves. Et la dernière question, elle est pour euh, Madame Halimotou. il y a un problème que tous les deux ont oublié de souligner. Vous voyez le téléphone portable là, hmm. c'est en grande partie. Ça contribue au best niveau. Il y a des enfants de 10 ans, 11 ans qui ont des portables. Parce que les parents sont aisés. Ils vont donner un téléphone à leur enfant. Quand je suis en ville, quand il y a quelque chose, appelle-moi ou quelque chose. Non. Tu peux faire en sorte que ton enfant retienne ton numéro. Moi, par exemple, ma petite de 5 ans, elle connaît mon numéro par en, tête et par cœur. Elle peut te dire, quel qu'en soit ce qu'il y a, si vous lui dites, donne le numéro de ta maman, elle peut donner. Mais téléphone, jamais. Moi, même pour jouer avec mon téléphone, on ne joue pas. Donc ça, c'est un grand point. L'enseignant est en train de dispenser le cours, les élèves sont en train de manipuler leur téléphone. On, on dit qu'on va prendre ça à l'administration, le parent va venir se plaindre. Non, c'est moi qui ai acheté, pourquoi vous allez reprendre le téléphone mhm. Il faut remettre. Non, ça se fait pas. Nous, avant, moi, je me rappelle jusqu'en classe de première, il y avait, il y avait quand on était en troisième, il y avait les enfants de riches qui avaient déjà les téléphones. Mais nous, jusqu'en classe de première, on n'avait pas de téléphone. Mais quelque part, vous ne pensez pas que le téléphone là aide aussi les élèves dans les recherches Pas du primaire jusqu'en première, peut-être à partir de la terminale, je suis d'accord, pour les recherches et tout, et jusqu'à l'université. Mais est-ce que vous savez qu'avec le téléphone, les enfants trichent vous êtes d'accord avec moi. Mais ça, ça, ça, ne les aide pas. L'enfant peut garder le téléphone à la maison. S'il vient, il fait ses recherches. Pourquoi il va avec à l'école Pour distraire l'enseignant ou bien c'est pour faire quoi Donc, ils ne suivent pas. Ils pensent qu'ils peuvent trouver tout sur le téléphone. Et je motive l'enfant toujours en lui disant que il peut faire mieux. Moi, j'y crois en toi. Moi, c'est toi mon champion. Donc, c'est de la façon de communiquer avec ton enfant. Et ça aussi, c'est quand tu suis, tu connais le niveau de ton enfant. C'est pas quand tu vas prendre son bulletin, tu vas faire la surprise que tu sais pas que ah, ton enfant, il ne connaît rien, il n'y a rien de ça. C'est quand tu suis l'enfant, tu peux t'attendre. Moi, déjà, avant que le bulletin n'arrive, je sais combien l'enfant peut amener peu près. Avant de clôturer, nous allons accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Actualité oblige, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui peut sembler superficiel à première vue, mais qui revêt en réalité une importance sociale et culturelle significative. L'élection des Miss dans un pays. Plus précisément, nous nous pencherons sur l'importance de l'élection Miss Niger 2024 qui s'est déroulée le samedi 18 février 2024 eh bien, l'élection Miss Amie Jeune de la FADA est bien plus qu'un simple concours de beauté. Elle est le reflet de l'évolution et des valeurs d'une société. Pour comprendre son importance, il est crucial de se pencher sur son histoire. Eh bien, les concours de beauté modernes tels que nous les connaissons aujourd'hui ont émergé au début du XXe siècle. L'idée était alors de promouvoir le tourisme et l'industrie du divertissement. Mais au fil des décennies, ces concours ont évolué pour devenir des plateformes puissantes pour le changement social. Dans le contexte du Niger, l'élection de Miss revêt une signification particulière. C'est l'occasion de célébrer la beauté, la culture et les traditions du pays. Mais surtout, c'est une plateforme pour mettre en lumière les enjeux sociaux et les défis auxquels le pays est confronté. En couronnant une jeune femme comme ambassadrice de la beauté et de la culture nigérienne, l'élection de Miss offre une opportunité unique de sensibiliser le public à des questions telles que l'autonomisation des femmes, l'éducation, la santé et l'environnement. À titre illustratif, cette année, le thème retenu est l'éducation de la jeune fille, gage de développement durable. De plus, pour les participantes, l'élection de Miss représente bien plus qu'une simple compétition. C'est une occasion de développement personnel, d'expression artistique et de leadership. Les candidates sont souvent des modèles pour euh, les jeunes filles et les femmes de leur pays, les inspirant à poursuivre leurs rêves et à s'engager dans leur communauté. En conclusion, l'élection de Miss est bien plus qu'un événement glamour. C'est une vitrine pour les valeurs, les aspirations et les défis d'un pays. En reconnaissant et en célébrant la beauté sous toutes ses formes, nous contribuons à construire un monde plus inclusif et éclairé. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour parler de l'impact que peut avoir une élection mise sur un pays. Merci Seino hakane wa matasa anan muka na mu hada fada na ranar Asabar. Aujourd'hui dans la fada nous étions en compagnie de Halimatu Abdourazak parent d'élèves. Il y avait aussi Abdourachid Soumeila étudiant et Labaran Sanusi enseignant de philosophie à Niamey. Tare da su de Koukaji, kuka ji mun tattauna akan le problème des baisses des niveaux des scolaires nigériens et surtout nous avons essayé de situer distribuer les responsabilités à plusieurs niveaux. Kamar yadda suka à akwai le manque de suivi des parents, akwai le problème de la formation des enseignants, c'est kuma le manque de motivation des élèves eux-mêmes. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mun na rai inda zamu mu sake dawo muku da wannan jigon amma a wani fanni daban. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu.